Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue euh, avec ce jour spécial qui constitue euh, l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal, 64e indépendance, anniversaire d'indépendance du Sénégal ce 4 avril 2024. Et vous le savez donc, euh, pour la circonstance, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, va procéder à une cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République. Ce sera dans quelques instants avec tout son gouvernement euh, pour ce jour spécial de notre accession à la souveraineté internationale. Alors sans plus tarder, nous allons tout de suite retrouver Aboubakri Khan, qui est au Palais de la République. Aboubakri, bonjour. Euh, je vous aperçois. Bienvenue et bonne fête d'indépendance. Bonne fête d'indépendance également à tout le peuple sénégalais. Merci, cher Ahmadou Bambagay. Bienvenue au Palais de la République où le décor est déjà campé pour vous faire vivre donc euh, euh, le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, la première avec le plus jeune président élu de l'histoire politique du Sénégal, en l'occurrence son Excellence euh, Bassirou Faye. Avec moi pour vous faire vivre donc euh, ces moments de télévision, Omar Ning. Omar, aujourd'hui est un grand jour, comme Bamba l'a dit, un jour qui consacre l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La fête de l'indépendance, Aboubakri, bonjour. Bonjour, euh, cher Bamba, et à tous les téléspectateurs de la télévision nationale. Euh, c'est un moment extrêmement important, vous l'avez rappelé. Euh, généralement, on avait droit à un défilé sur le boulevard de la nation, grandeur nature, mais cette année, le président de la République, nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, a choisi euh, de célébrer euh, donc cette fête de l'indépendance dans la sobriété. Euh, c'est ce qui explique cette cérémonie solennelle de lever des couleurs. et certainement, je le disais, l'année prochaine, on, va renouer avec les festivités, avec un grand défilé et certainement, parce que le contexte, évidemment, va donc s'y prêter. Aujourd'hui, donc, nous sommes au Palais de la République où euh, le président Bassirou Diomaye est attendu exactement à 10 heures. Avant euh, lui, euh, évidemment, il y aura des autorités civiles et militaires qui vont arriver ici, le précéder, donc sur cette place mythique, le palais de la, République qui abrite cette cérémonie solennelle à Boubakri. Effectivement, Omar, vous l'avez si bien dit, deux jours seulement après sa prestation de serment, le président Bassirou Diomaye Faye a opté donc pour une cérémonie solennelle de levée des couleurs à la place du traditionnel défilé civil et militaire à la place de nations, à la place de la Nation ou encore la piste d'armes à la place de l'indépendance. Il a opté donc pour euh, la levée des couleurs, une cérémonie militaire solennelle qui marque donc le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ce sera donc des grands moments euh, qui vont marquer donc cette cérémonie, la première du président nouvellement élu et d'importantes autorités sont également attendues ici au Palais de la République Oman. Oui, effectivement, euh, des autorités civiles et, militaires, euh, parce qu'Abou Bakri, vous savez, hein, le, 4 avril, c'est également la fête des forces armées. c'est pourquoi ils seront présents, ceux qui dirigent ces institutions euh, de notre armée nationale, mais également euh, sont attendus ici euh, les présidents d'institutions, à savoir le président du Conseil économique, social et environnemental, le, Haut Conseil des collectivités territoriales, mais également le président de l'Assemblée nationale. Je devais commencer d'ailleurs par lui. donc il y aura également le Premier ministre, toutes ces autorités vont donc euh, arriver ici avant le président de la République dont euh, la venue ici au palais est prévue, je le rappelle, à 10 heures euh, précises. Et à ce moment-là, on donc procédera à cette cérémonie symbolique de levée des couleurs. Vous les apercevez, donc la mise en place est déjà terminée. on voit le détachement de la garde présidentielle qui va donc euh, euh, faire les honneurs euh, aux autorités qui seront ici présentes sur le, le, perron sur le, le, perron d'honneur donc du, du, palais de la, de la République à Boubacri. Amar ni nga ko waxee noonu la Cheikh Amadou Bamba wax na ko sànq tey bu màgg ndax bés boo xam la Sénégal des màggal bés bi mu moomee boppam euh, juróom benn fukk ak ñeenteelu anniversaire indépendance su Sénégal ñu nag fii ci makkaanu njiitu réew mi euh, RTS ex euh, indi fi dispositif bu am solo pour wane leeg askan wi li nga xam ne mooy xew fii ñu ngi xaarandi donc njiitu réew mu bees mi di Basirou Diomaye Faye ñu ngi xaar fii ci bu 10 heures jotee laata muy ñëw nak am na yeneen autorités yoo xam ne ñu ngi leen di xaar ñu ñëw war a mën a fekkee euh, lii di lever de couleur fii ci palais de la république li ñu leen mën a euh, xamal rek moo di euh, kii nga xam ni mooy le colonel Adama Gueye di gouverneur militaire du palais moom jot na yegg si ba palais donc ñu ngi xaarandi yeneen autorité yi comme ni ko Omar waxee président assemblée nationale président conseil économique social et environnemental waaye itam yeneen autorité yoo xam ni dinañ ñëw

L'arrivée du chef d'état-major général particulier du chef de l'État, à sa suite, euh, il y aura certainement d'autres généraux qui vont venir donc euh, euh, retrouver les autorités ici au Palais de la République. Omar Moudi, Lohamni, loo Palais de la République. absolument Abou Bakri, nga gis ñeneen ñu comme nous Autorité yi nga xamné ñom ñoom euh, représenté armée bi euh, ñom ñoy jitu président de la république waye tamit yenen président d'institution institution yi euh, wax nga ko légui chef d'état major particulier du président de la république moom moo ñëw noonu légui nak ci programme bi dafa ki wara war après mom euh après moy ki nga xamni ni le général de corps d'armée. Euh, chef d'état-major des armées euh, moom moo war a le grand chancelier Dafana, le grand chancelier dans tous les cas on va l'apercevoir euh, bu yegsee rek kon ñu linga ngeen moy li nga réservel donc en principe chef d'état le le le le général grand chancelier moom mooy euh, bu ci noppee waa may après euh, je pense que si le euh, le SEMGA di ñëw ak ki nga maintenu mon diriger gendarmerie muy le haut commandant de la gendarmerie nationale donc nous ñëpp kon dinañu teew fii ci kanam su ko defee ñu ñëw précédé président de la république ak un chef d'institution yi ndax noonu la cérémonie bi daan demee euh, euh, des couleurs bi prévoir Effectivement, donc après l'arrivée du chef d'État-major particulier du chef euh, de l'État, il est attendu l'arrivée du grand chancelier, mais également celle du SEMGA, le chef d'État-major général des forces armées, mais aussi, comme vous l'avez dit, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, en l'occurrence le général Moussafal. Mais il y aura également les présidents d'institutions, il y aura également le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko, qui fera partie des proches collaborateurs du président Bassirou Diomaye Djahar Faye, qui sont donc attendus ici au Palais de la République. Oui, Abou Bakri, cérémonie euh, fi lañ koy ci palais de la république muy lever des couleurs euh nag nak euh, liko waral moy euh, président bassir Diomaye Faye def ko le célébrer 4 avril fête de l'indépendance dans la sobriété mo waral kon ñuy def cérémonie de lever des couleurs bi kon Aboubakri. Nous allons euh, assister à l'arrivée des officiers généraux. Euh, Il s'agit de M. monsieur le général d'armée de corps d'armée grand chancelier de l'ordre national du Lion. grand chancelier comme monsieur le général de corps d'armée chef d'état-major des armées. de monsieur le général de corps d'armée au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. arrivé ah, arrivée groupée des officiers généraux. Presente! Não! Thank you. Donc, euh, arrivé en l'occurrence euh, le général Meissegnan, grand chancelier, mais aussi le SEMGA et le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Omar Nyeri fan donc qui bi nga de serment mu opté donc pour amal li nga xam ni moo di levée des couleurs fii ci palais de la République wute ak euh, li ñu daan gis mu di 4 avril bu am bu ànd ak défilé militaire et civil fële ci place de la nation wala sax prise d'armes ci place de l'indépendance moom nag ñaari fan ginnaaw bi mu toogee rek mu opté donc pour amal fii ci màkkaanu njiitu réew mi li nga xam ni mooy levée des couleurs ngir màggal donc li nga xam ni mooy 64e anniversaire indépendance suñu réew di Sénégal Jérôme juroom bennel juroom ben fukki euh, ak 64e euh, euh, anniversaire de l'indépendance du Sénégal gannaaw nak ba officier généraux ñëwé euh manam SEMGA au commandant de la gendarmerie ak ki nga chancelier le général Nous dañu opté donc gis pour des arrivées groupées euh, donc euh, ci sax euh, wax ni après officier généraux yooyu moy ñaari ministère ministre yi nga le ministre des forces armées ak le ministre de l'intérieur donc ñom ñaar suñu ci ci programme bi

du ministre de l'Intérieur, euh, Mohamed Mokhtar Sissé, en compagnie du ministre des Forces armées, Maître Youm qui ne vont pas tarder donc à faire euh, leur entrée ici au Palais de la République. Et après eux, on aura également l'arrivée des présidents d'institutions. Voilà, euh, voilà. Dans un instant, nous allons assister à l'arrivée groupée de M. le ministre. Il s'agit de Monsieur le ministre, directeur du cabinet du président de la République, et de Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence. Arrivé groupe de Monsieur le ministre. Présentez, Stop. Thank you. de l'intérieur Mouhamadou Marta Cissé mi denk bir réew mi mu Omar ñaari collaborateur yu yes yi nga xamni ni bokk na ci euh, régime euh, son excellence euh, Bassirou Diomaye Faye mu Marito Mary directeur de cabinet du président de la République mais également Omar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République voilà mu wuté kon li ñu annoncé ci programme bi ndax euh, dañ ne woon euh, ministre de l' intérieur la ak MFA ministre des forces armées mais donc comme niñ ko gisee euh, les nouveaux ministres directeurs de cabinet et ministre secrétaire général ñoom ñoo ànd ak ministre de l' intérieur kon ci arrivé boobu nga xamante ni dund nañ ko léegi léegi léegi nag su fekkente ni ne sukkandiku sukkandiku nañu ba léegi ci ci programme bi euh, donc, euh, nous assister à l'arrivée des présidents d'institutions. Euh, donc, nous avons arrivé groupé module, On attendra de voir, euh, mais qui programme bi en tout cas, nous allons prévoir. Euh, président des institutions, président Assemblée nationale, Premier ministre, président Conseil économique, social et environnemental présente euh, au conseil des collectivités euh, territoriales euh, en principe N'yom ñoo ci top. a topp bu si le président Bassirou Diomaye Faye di 10 heures en principe ngir rek ñu tàmbali cérémonie Effectivement, après l'arrivée donc des autorités militaires, on a assisté à l'instant à l'arrivée des autorités civiles, notamment le ministre de l'Intérieur, compagnie donc euh, des tout nouveaux collaborateurs du président Bassirou Diomaye Faye, euh, le, ministre directeur de cabinet Marito Taouignan, mais également le ministre secrétaire général de la présidence Oumar Sambaba. Euh, il s'en suivra donc l'arrivée des présidents d'institutions, comme vous l'avez annoncé. Il s'agira du Premier ministre, du président du Conseil économique, social et environnemental, mais également de la présidente du euh, Haut Conseil des collectivités euh, territoriales qui euh, devrait arriver également en même temps ici au Palais de la République. Ouais, et on aperçoit à l'instant les, des visages qui nous sont familiers à hein, Boubakri, des, des, gendarmes qui collaborent avec nous ici au Palais de la République, notamment le, le commandant Dong et le colonel Ndiaye et d'autres gendarmes qui assurent euh, la sécurité ici, euh, de même que les, autres, hein, la garde rapprochée, euh, c'est l'instant, c'est le moment de leur rendre un vibrant hommage parce qu'ils abattent un travail extrêmement important, notamment dans la sécurité du président de la, République, de même que bien sûr ce détachement de la garde présidentielle qui assure les honneurs à, en de pareilles circonstances. Euh, donc c'est le moment, puisque c'est la fête de, des forces armées aussi. Euh, c'est l'occasion pour nous de, de, leur souhaiter une euh, excellente fête euh, aujourd'hui, 4 avril, à Boubakri. effectivement xam nga du 4 avril c'est dañuy Magal, bés bi nga xam ci la Sénégal moom boppam mu di fête boo xam Sénégal yëpp ko bokk waaye nag ñi nga xam ni ñooy takk der yi ñu am ci cër bu am solo rawatina nag ci li nga xam ni des couleurs mo am ben détachement donc de la garde présidentielle bo xamni mo am honneur tay amal euh, li nga xamni euh, moy l'honneur am ci palais de la République moy honneur yi ñu war a delloo di son excellence euh, Bassirou Diomaye Diakhar mm-hmm. voilà le, le général Moussa Fall euh, euh, qu'on ne présente plus euh, qui joue un rôle également extrêmement important dans la sécurisation du pays de même que les autres officiers généraux d'ailleurs, le Semga et euh, tous les autres. Hein. Euh, vraiment, on leur doit beaucoup. C'est euh, de défense et de sécurité parce que nous, nous avons Wolof, suñu bay nelaw parce que euh, nous

Je suis le maître de cérémonie je vais donc annoncer donc du premier ministre Moi, war a euh, conseil euh, au conseil des collectivités territoriales et ki nga président président conseil économique social et environnemental. voilà muy institution qui nga le euh, président de la république nga suis le institution euh, kon ñeneen ñi topp ci moom euh, muy président assemblée nationale ak euh, conseil des collectivités territoriales président conseil économique social et environnemental ñooñu kon di institution yu am solo maître de cérémonie bi annoncé na premier ministre ak président conseil économique social et environnemental donc su fekkee jàppandi na dafa naa dinañ leen euh, gis ñu yaksi fi ci euh, palais de la république euh, bala président de la république Bassirou Diomaye di yaksi si ndax nonu lañ ko tëralee ci doxalinu cérémonie bi muy lu am solo aboubakri ñi ngi doon waxtaan ci rôle bu am solo bi nga force de défense et de sécurité koy joué ci suñu muy

Euh, té li muy mandargal rek instant bi ni moy que ni état continuité la ndax euh, chef de président d'institution yi nga xamné ne tudd nañ len sank ci régime président Macky Sall lañ len falé won euh, tey ñu wara mëna mën a ñëw teewee lii nga xam moy première donc levée des couleurs bu njit réew bu bess di Bassirou Diomaye Faye li ñu wax rek les hommes passent les institutions demeurent mu lu am solo également ci taarixu Sénégal Mesdames et messieurs, arrivée des présidents d'institutions. voilà mon premier ministre euh, président conseil économique social et environnemental ouais, du président l'Assemblée nationale présenté ci Amadou Mame Diop. Euh, fond de la musique des forces armées, vous vivez avec nous l'arrivée euh, du tout nouveau euh, Premier ministre, en l'occurrence Ousmane Sonko, accompagné du président de l'Assemblée nationale Amadou Mamdiop, mais également du président du Conseil économique, social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo. Voilà, ils seront euh, complétés par la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Mbenguindjaï, vous l'apercevez. Elle est passée de l'autre côté, euh, donc pour euh, dans un instant, euh, nous allons assister côté des autres institutions. À la revue de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Voilà, donc le maître de cérémonie qui vient d'annoncer l'arrivée imminente du président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye qui, dans quelques instants, donc, va arriver ici au Palais de la République et ça va marquer donc le début de la cérémonie solennelle de levée des couleurs ici au Palais de la République Voilà, c'est dans quelques, dans quelques poignées de, secondes, on va dire, euh, parce qu'il est 10h moins 2. Euh, dans deux minutes plus précisément, euh, vous allez apercevoir le président de la République, son Excellence Bassiro jamaï euh, Diakhar euh, ici, euh, donc, qui va rejoindre l'assistance, la mise en place déjà prête pour donc assister, diriger, lui le président, cette cérémonie de, levée des couleurs symbolique de la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays, 74e du genre Aboubakri. Effectivement, euh, le président de la République va donc, à son arrivée, passer en revue le détachement de la garde présidentielle avant donc euh, d'assister à la levée des couleurs jusqu'au Mans. Et ensuite, il viendra donc saluer les autorités présentes ici au Palais de la République pour assister à cette cérémonie solennelle de levée des couleurs. Voilà, les euh, Grecs, président Bassirou Diomaye yegsi fi ci palais de la république di ngeen euh, gis maître de cérémonie bi annoncé ko légui légui ndax euh, dix heures pile euh, la warone dugg si fii dix heures nag daanaka moins une minute légui rek ngeen gis ko mu yegsi kon jaar ci tapis rouge bi ñu rendre ko les honneurs voilà ñu ak maître de cérémonie bi revue de son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république chef de l'État habillé en tenue traditionnelle, euh, une tenue assez symbolique, hein, parce que c'est la fête de l'indépendance. Hein. Euh, li day firndeel rek ni mom euh, li mu doon wax démb lu mu gëm la moo di nañu fexe ba wane ni moom la de la République. Les honneurs sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandé par le lieutenant michel Ndiaye. À vos autres, monsieur le président de la République. Attention pour les couleurs. Ah ouais di eh, bakk suñu réew di hymne national di wane neer ni euh, jëf yi dafa mel ni la, levée des couleurs qui consacre la célébration du 64e anniversaire de notre accession à l'indépendance marquée donc par euh, oh. une levée des couleurs. Le président Bassirou Diomaye Djahar Faye qui est arrivé à 10 h qui a passé donc en revue euh, le détachement de l'escadron spécial donc euh, de la garde présidentielle avant de saluer les autorités civiles mais aussi les autorités militaires, notamment les présidents d'institutions

Euh, ay honneur euh, ginaaw gi kon euh, ñu yëkëti drapeau bi loolu kon mooy cérémonie symbolique bi nga xam ni moom la ñu doon amal ngir rek célébrer fête de l'indépendance bu Sénégal ren ni mu ko gisee wala boog ni mu ko dogalee moom président Bassirou Diomaye Faye léegi nag gannaaw ba ñu defee cérémonie bi day ànd ak kilifa yooyule euh, fichi palais de la république Tibir palais Bingirek, ngir un grand moment de communion après donc cette cérémonie solennelle de levée des couleurs euh, qui euh, donc marquait la célébration de l'indépendance, de, l'anniversaire de l'indépendance de la République du Sénégal. C'était donc un moment assez symbolique, Aboubakri, euh, que nous avons eu le plaisir de vous faire vivre. Hein, chers téléspectateurs, donc Abou Mabaïl Rek, Euh, dellu fële euh, triangle sud ak euh, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye voilà ni ko Omar waxee rek Cheikh Ahmadou Bamba Gueye lii la ñu mënoon a jàppandi ci li nga xam ni moo xew tey fii ci makkaanu njiitu réew mi mu di levée des couleurs bi nga xam ni day sargal di màggal bés bi nga xam ni ci la Sénégal moom boppam ñu toll ci 64e anniversaire prés njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jiite ko. bi mu paree mu daal di retiré wu ànd ak autorité yi nga xamni ni ñoo fekkee euh, cérémonie bi li lañu mëna jappandi ci li fi xewante ci makanu njiitu réew mi di présidence de la république. Aboubacry Kane. Voilà, euh, donc merci beaucoup à Bouba également merci à Oumar Nying qui était ensemble au Palais de la République pour vous faire suivre donc en direct euh, cet fort de cette cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République euh, avec le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, avec la présence des présidents d'institutions mais également des collaborateurs du président de la République, de son cabinet présidentiel et bien entendu euh, les officiers généraux qui sont également présents, le SEMGAL au commandement de la gendarmerie nationale, le grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, et enfin qui ont été rejoints par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé euh, cette cérémonie de levée des couleurs qui marque l'anniversaire de notre indépendance du Sénégal, 64e indépendance. Merci de nous avoir tenu compagnie depuis ce matin. Merci de votre fidélité. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale.